En souvenir au massacre des ouvriers à Chicago en 1886 qui réclamaient leurs droits, les syndicalistes de la banlieue ont commémoré la fête du travail. À la centrale syndicale UDTS, les responsables ont plaidé pour des retrouvailles du mouvement syndical face à l'oppression du patronat et aux pertes d'emplois enregistrées durant cette pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, 80 000 travailleurs ont perdu leur emploi au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous entamons cette fête du 1er mai avec une réflexion sur le devenir du mouvement syndical. Ce que nous devons faire, c'est nous-mêmes nous lancer un défi. Le contexte est tel qu'aujourd'hui, les travailleurs sont agressés de toutes parts. C'est comme s'il n'y avait pas au Sénégal, des organisations syndicales. Le code du travail est violé au niveau des entreprises. Nous prenons euh, plusieurs cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs qui sont constatés, sans pour autant que certaines organisations syndicales ne réagissent. Nous devons changer de paradigme, changer de stratégie, changer d'option syndicale, mais aussi changer de, de stratégie de lutte. À l'UDTS, ouvrières, les difficultés du secteur minier, du transport, entre autres, se sont invitées dans le discours des responsables qui interpellent l'État du Sénégal. On déplore la situation critique du l'IPES. Il y a même euh, au niveau de la caisse de sécurité sociale, parce que les rentes sociales doivent être revues à la hausse. C'est comme également au niveau de la convention sur les bases salariales. C'est des, des, conventions qui datent de 1960-1970. Donc il est temps que au niveau de l'État, nous puissions nous asseoir autour d'une table et revoir ces conventions. Au niveau du secteur minier, le problème c'est autre chose. Parce qu'avec les multinationales, c'est des gens qui n'acceptent pas le syndicat. Les transporteurs violent le code du travail. L'État doit augmenter le pouvoir des inspecteurs de travail. Il faut que l'État fasse la pression. Nous rencontrons d'énormes difficultés et ces difficultés résident sur le fait que les employeurs sont dans une situation indescriptible. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans que que rien ne retrouve. ni ko seen ci yeneen dëkk syndicalistes banlieue n'yom sargal nañ. feetu premier mai bi ngir coup. jamono ji nga xamné ci 1886 ci Chicago ñu doon buñ xatal ay kat Gana bi nga xamné dañ doon réclamer seen ak ak yelleef ki centrale syndicale UDTS njiti yi jot nañ yëkkati seen kàddu ne jot na tey retrouvaille mouvement syndical ngir ñu gëna taxaw temb jambarlo ak patronat bi yi nga xamné ne day salfaañe yoon kat lañ dax ci entreprise formelle formel 80 000 per famille. Euh, c'est une catastrophe muy gouvernants yi muy ñu ci organisation confédération syndicale yi ak mooy ñu nekk feneen war nañoo solution pour que pauvreté bi travailleurs yi agression yi victime travail secteur informel comme secteur formel ñu mën ci andi ay solution il faut nous faire ko parce que li xew élection yi passé taux de participation 16 day wone rek ne kat yi ñu syndicat nan lañu wara def pour kat yi gëm travailleurs yi moy dañuy bayyi syndicalisme de business syndicalisme d'affaires ci UDTS force ouvrière minière ñom day responsable yi jot nañ tatane jafe jafé ci secteur minier wayé ci walu dem dikk bi di sakku nak ci nguur gi dal di jënd indi ay ci si jafé liggéey kat yi si mag ñi lay commencé muy ipress parce que magget yi ñu jaru soral lañ ko xamné presque du na ay euh, juroom fukki at ak lu top té état di sétane li xew ipress mu kay sétane autorité yi dégg ko fofu bombe la bo xamné ne bu exploser musiba am bi pandémie bi ñëw ak légui ñaata travailleur ñoo fi perte seeni emploi état bi tok di sétane secteur minière mom la fa nek mom musiba la secteur bi ma jité muy secteuru transport transport ku nekk xam na li fi xew dans le secteur du transport musiba la afti moom état bee la ko gën a xam signé nañu protocole ak euh, les transporteurs mais jusqu'à présent état mi ngi leen di seetaan transporteurs yi di def li nga xam ne euh, euh, travailleurs yi musiba la afti transporteur dañ def benn système yow travailleur bi bu ñu la defee li nga xam ne tegul si yoon amoo droit nga dem inspection wala tribunal travail je crois que ne état moo échoué